avez-vous commencé à écrire Depuis que j'étais petite, j'étais passionnée par l'écriture. C'est en lisant que je me suis rendu compte que je voudrais aussi m'exprimer. Donc un jour, je l'ai essayé. De là, j'ai rencontré des personnes qui ont voulu m'aider. Car au Niger, il y a des écrivains qui ont beaucoup d'œuvres, qui connaissent la littérature. Et ils connaissent la valeur, l'amour et la passion pour l'écriture. Donc Dieu merci, ils m'ont aidé. Quels sont les avantages que vous trouvez dans votre métier d'écrivaine Oui, exactement. L'écriture a son utilité. Son utilité, c'est que le message arrive à la population, c'est-à-dire qu'il travaille avec les messages positifs véhiculés par l'œuvre et qu'il s'éloigne des mauvais exemples expliqués que l'œuvre contient. Pourquoi vous écrivez Vraiment, ce n'est pas que pour le divertissement qu'on écrit. On écrit pour éduquer, édifier, sensibiliser, rappeler et plus le divertissement. Et de plus, l'écriture est très puissante car son slogan c'est La plume est plus tranchante que l'épée. Avec la plume, on peut faire maintenir la paix et l'équilibre dans un pays. Quel appel en tant qu'écrivaine en langue nous lançons un vivant appel envers nos dirigeants. Nous avons besoin de leur soutien car nous apportons notre contribution à la population. L'écriture ne contient pas que des paroles d'amour, bien que c'est le principal. Il y a aussi des messages que nous lançons, des cris de cœur de la population envers l'État et puis celui de l'État envers le peuple. Et enfin, j'appelle nos dirigeants à créer des conditions pour que notre savoir-faire puisse être connu dans notre pays, pour que nous aussi on puisse sentir qu'on est aimé dans notre pays. Pouvez-vous nous lire un extrait de l'un de vos livres Je vais lire un petit extrait de mon œuvre intitulée Watokokowa, c'est-à-dire une lutte. Si je comprends, c'est une véritable richesse qu'il a gaspillée pour la réussite de cette célébration. Même les cartons d'invitation lui ont coûté très cher à cause de cet heureux événement. Il avait l'impression d'être dans un rêve, jusqu'à ce que la voix de la plus curieuse de la famille, digne d'une fille de 3 ans, le ramène à la réalité lorsqu'elle dit ⁇ Maintenant papa, tu restes silencieux alors qu'ils m'ont brutalisé en ta présence. Juste parce que j'ai dit cette petite phrase, ce n'est pas bon de transgresser les principes de la religion, parce que notre secret été dévoilé. Cela veut dire que Dieu nous aime, n'est-ce pas